Personne n'acceptera plus des acteurs politiques en manque d'idées, qui n'ont aucune vision, pas dem recruter des nervis avec de l'argent pied des caisses de l'État non politique il suffit d'avoir d'argent pour aller acheter les gens ça c'est fini les Sénégalais sont de plus en plus exigeants et les c'est le sont davantage. On veut des idées, on veut des programmes parce que la pauvreté a assez duré, le sous-développement a assez duré et il faut qu'on sorte de cette situation. Quand on est là pour discuter de programmes, sans plus tarder, je vais attaquer ce programme. Je vais le présenter sommairement. Moi, wax ni bu ne candidat avant ne décider candidat de la fin de l'élection présidentielle 2019 jusqu'à maintenant le débat s'est posé partout au Sénégal ndax candidat wala candidat beaucoup de gens m'ont dit que suis pas candidat à Ziguinchor un argument am luñ ci Ousmane Sonko qui gagne à Ziguinchor amul valeur ajoutée parce qu'à la fois quelqu'un qui va en terrain conquis nous, ñi japp nañ ni Ousmane Sonko doit se libérer pour préparer exclusivement 2024 et que dugg ci ay mairie daf lay bloqué d'autres arguments ont été avancés te bu qu'est-ce qui m'a décidé à être candidat la première chose, c'est que je ne peux pas tourner le dos à l'appel de la région, de la ville, qui m'ont tout donné. La demande a été très forte. Yakar demande ce que j'ai vu dans les rues de Ziguinchor et ce que je vois toujours dans les rues de Ziguinchor et c'est encore beaucoup plus fort si j'allais dans les rues de Bignona c'est encore beaucoup plus fort si j'allais dans les rues de Outou c'est aussi fort si j'allais dans le Sédio ou dans le Kolda où ça s'appelle de l'espoir et je peux vous assurer que nous sommes conscients de cet espoir et nous ne le décevrons jamais s'il plaît à Dieu. La deuxième chose qui m'a décidé à candidater. il faut être candidat à la ville de Dakar. Parce que si on est candidat à la ville de Dakar, valeur ajoutée bi foofu lay mes solo ndax li Dakar di peser et c'est un boulevard pour 2024 qui peut me dire c'est quoi notre vision vous vous savez c'est quoi notre vision j'ai pas entendu ah voilà le choix n'est pas fortuit partout au Sénégal nit ñi wo nañ ma demal lan moy liguey vision c'est pourquoi dans le document je n'ai pas éprouvé le besoin de faire de long développement qui lan une vision résumé le lep, c'est ce que j'attends de vous et c'est ce que je voudrais que vous attendiez de moi je ne suis pas venu vous amenez des solutions toutes faites Douma yalla Yalla. ci bopom. munoon na def lepp mu yomb pour ñun mais il nous a laissé ak suñu bop. jox ñu xel jox ñu kàttan jox ñu nature jox ñu économie jox ñu comme comme ne allez vous débrouiller si on ne se débrouillait pas on n'allait pas extraire de l'or bi nga xam ne mi ngi ci suufa suufa suuf te yàlla da je ne suis pas venu pour vous dire j'ai je règle vos problèmes je suis venu vous dire j'ai une vision et je crois qu'elle est excellente mais cette vision là j'aurai la même responsabilité que chacun et chacune d'entre vous dans son exécution et dans sa réalisation il faut que ce soit très clair affaire c'est fini on va travailler tout Toussaint ton patron avait dit travailler encore travailler toujours travailler le maître mot ce sera le travail les autres communes du département de Ziguinchor Enampor Adéane Boutoupa Niagis Nyasia, si je vous dis, particulièrement vous les jeunes, que c'est bien les Nawetan, et on continuera à organiser les Nawetan. c'est bien les soirées dansantes, c'est bien, c'est bien. Mais ce qu'on avait fait, le concept des vacances agricoles patriotiques, je veux que toute la jeunesse de Ziguinchor se rende dans les champs, qu'on multiplie toutes les productions par 10 dès la première année. Est-ce que vous le ferez cette citoyenneté notre responsabilité nous ce sera quoi Moi, je ferai les intrants le matériel agricole tout ce qu'il faut et qu'on ait une politique avisée de la production à la transformation en passant par la conservation et la commercialisation qu'on mette en place un système, et ce système, je l'ai ici, je vais vous le proposer, pour que vous rentabiliser le fruit de vos efforts. C'est ça notre responsabilité. Mais tout le reste, c'est le citoyen qui devra assumer ses responsabilités. C'est cela qu'on attend de vous. Et c'est ça la vision. Cette vision, elle est importante. Je veux que vous, vous soyez le premier baromètre. Fal nit mu nek rek après êtes bon, c'est fini. Non, le maire, comme le président de la République, quand il est élu, il faut un contrôle citoyen permanent. Le citoyen doit surveiller ce qu'il fait. critiquer manifester son mécontentement quand il est mécontent c'est ça la démocratie et c'est ça les mesures d'encadrement qu'il faut si on veut réussir